Ah, je vous remercie. C'est aujourd'hui pour nous un honneur de recevoir au nom de toute la région de Kaolak euh, ces vaccins, euh, les premières doses de vaccins contre la COVID-19. Euh, comme vous le savez, le Sénégal, a l'instar des autres pays du monde entier est durement éprouvée par cette pandémie à la Covid-19. Vous avez remarqué également que nos plus hautes autorités n'ont pas manqué vraiment d'accompagner les populations en vue de faire face à cette pandémie. D'importantes mesures ont été trouvé depuis le début, dans le cadre de l'appui sur le plan social, sur le plan économique, pour empêcher que, que notre économie ne soit mise à genoux par cette pandémie. Ici, ajoute que depuis le départ aussi, d'importantes mesures barrières ont été édictées par nos plus hautes autorités. Et la région de Kaolin n'a pas été en reste. Maintenant, tout le monde s'accorde à reconnaître que, en dehors de ces mesures barrières, il faudra aussi ajouter la vaccination. Et ces premières doses-là que nous nous pourrons de recevoir, la région de Kaolap, sur un total de 200 000 doses, la région de Kaolok déjà va en recevoir 6 956 doses dans un premier temps. Et deux semaines après, pour une seconde, pour un rappel, d'autres 6 956 doses vont être reçues. Ce n'est pas une mince affaire, parce qu'actuellement, les vaccins sur l'ensemble de la planète, il faudra vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination euh, pour pouvoir en disposer. Nos plus autorités ont tout fait pour que le Sénégal puisse faire partie des premiers pays qui reçoivent donc ces doses de vaccins. C'est pourquoi nous avons reçu donc ces doses de 200 000 euh, vaccins. Pour ces doses-là, il euh, y a une stratégie pour pouvoir donc les administrer. D'abord, il y a des cibles, ce qu'on appelle des cibles prioritaires. La première cible, ce sont donc les agents qui sont en première ligne, les agents de la santé, qui sont presque en contact, pour ne pas dire nez à nez, avec les malades. Ces gens-là qui sont exposés, chaque jour que Dieu fait, seront donc les premiers à bénéficier donc de ces doses. Ici dans la région, ils seront au nombre de 3240. Le président de la République aussi n'a pas oublié les personnes âgées. Ces personnes âgées de plus de 60 ans, comme aussi ceux qui sont âgés de plus de 60 ans avec comorbidité, qui représentent 3% au total de la population, sont aussi concernés par euh, cette, euh, cette première étape. Ils sont au nombre de 36 863 dans la région. Voilà donc comment ça va se passer. Ces personnes-là, qui sont des agents de santé, qui sont presque nez à nez, en contact permanent avec les malades qui courent tous les risques, seront protégés dans un premier temps. Et je vous ai dit le nombre, ils seront les premiers à bénéficier de, ces doses de vaccins. Ensuite, les personnes de 60 ans et plus, aussi avec comorbidité pas comorbidité, ces personnes-là aussi seront, vont bénéficier donc de ces, de doses de vaccin. Nous venons donc de recevoir cela, qui est sûr, d'ici demain, nous allons nous organiser pour mettre en place un comité, un comité régional de suivi euh, de, cette, de cette stratégie. Euh, au niveau des départements aussi, il y aura des comités. Et à partir de ce moment, nous allons aussi élaborer une stratégie de communication. Parce qu'il nous faut de la communication. N'oublions pas que euh, ces actions-là sont très louables. Ces actions-là, ce sont les seules qui pourront vraiment donc nous faire nous sortir donc de cette situation-là désastreuse. Malheureusement, malgré tous ces efforts-là, il y a des individus tapis dans l'ombre qui rame à contre-courant, qui distribue donc de fausses informations par rapport à ces vaccins-là, ces, ces gens-là, il faudrait quand même que nous aussi, de notre côté, que l'on développe donc des stratégies pour pouvoir les contrer. Parce que ce sont donc des vaccins qui sont les seuls instruments, pour le moment, qui pourront nous faire sortir donc de cette situation. Il nous faut vraiment donc développer une stratégie de communication qui va euh, prendre en compte, en tout cas qui va euh, concerner les agents de santé à travers donc les relais, mais également les, les, les, les, communicateurs euh, traditionnels, les, leaders d'opinion tels que les chefs religieux, les autorités administratifs, tout ce monde-là sera mobilisé. La presse pour pouvoir vraiment sensibiliser davantage sur l'importance de ces vaccins-là et aussi contrer ceux qui sont vraiment animés donc de, mauvaise, de mauvaise foi pour jeter leur propre sur ces vaccins-là. Voilà donc ce que nous allons faire et euh, à l'instar du niveau central, dès que le niveau central lancera donc euh, le démarrage donc, de cette campagne de vaccination, ici au niveau de la région, nous aussi nous allons lancer la campagne au niveau de notre région. Et je vous l'assure, je serai le premier à tendre le bras pour me faire vacciner. Et après moi, le médecin chef de région aussi va se faire vacciner comme ça. Tout le monde saura que ces vaccins-là ne sont pas dangereux. S'ils étaient, dangereux, moi je, n'aurais pas tendu le bras pour qu'on me vaccine. S'ils étaient dangereux, les plus autorités n'auront pas tendu leur bras pour se faire vacciner. Voilà ce que je veux dire. Donc, quelle est la situation de la région actuellement Bon, la situation de la région actuellement, euh, à la date d'aujourd'hui, nous avons total de cas confirmés 1417. Les cas guéris 780. Hélas, le nombre de décès est de 121. Ceux qui sont sous traitement 470 ans. et qui sont, ceux qui sont transférés dans d'autres structures au nombre de 26. Donc vous l'avez remarqué, euh, nous avons vraiment besoin de ces vaccins-là pour nous sortir donc de cette, de cette, de mauvaise passe. waaw euh, alhamdulilah rabil alamin ñu sant yàlla bu baax tey jii jot nañu vaccin yi nga xam ne ni ñoom la ñëpp doon xaar mu nekk nag lu nga xam ne nii ay ñàpp la moom rek moo ñu mën a génne ci situation bi ñu nekk xam ngeen na situation bi ni ko senegal di vivre àddina bi yëpp di ko vivre mooy dafa nekk lu nga xam lu doy waar faagaagal na suñu suñu koom-koom euh, am na ay nit ñu nga xam ne nii tëral na leen malheureusement am na ay nit ñu nga xam ne aussi faat na leen donc situation bi bi mu amee dëpp mars ba léegi xam ngeen ne kilifa réew mi tooguñu benn yoon président de la république comme ni ma ko waxee sànq ci tubaab jàppale ne askan dimbale leen ci wàllu dund fexe ba koom-koom bi bañ a nërmeel indi nañu ay mesures mesures yi nga xam ne lu mel ni takk masque lu mel ni raxasu ak ak saabu walla jël gel lu mel ni ay dàndante lu nekk def nañu ko pour vraiment yàlla musal ñu ci ci feebar bi mais terewul ba léegi feebar bi ñu ngi continuer di law ñu ne nag borom xam-xam yépp nekk di gëstu di gëstu di gëstu ci diir bu gàtt ñu turee ñakk yi nga xam ne nii buñ ko boolee ak takk masque buñ ko boolee ak raxasu ak saabu buñ ko bolé ak dend dandante yaakaar naa du yàgg léegi tey feebar bi won ñu gannaaw ñu ci gërëm bu baax euh, président de la république son excellence Macky Sall mi nga xamné dem na bitim réew indi ñakku yii parce nak comme ni mako waxé sank nekul lu yomb addina bi yépp ko soxla donc gannaaw addina bi yépp ko soxla ñun Sénégal bu féké dem nañ ba am ci ñaari téeméeri junne ñàkk dama ne nekkul lu tuuti ci ñaari téeméeri junne ñàkk yooyu région Kaolack rek déjà am na ci juróom ci première phase bi juróom ñeenti junne ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak juróom benn muy neuf mille cinq cent cinquante six bu ñu ko six mooy juróom benn junne ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn bu ñu ko joxee ni ko war a jox te dinaa si del siwaat bu ñu toogaatee deux semaines day am lu ñuy wax rappel ñu yàgg yàpp ñëpp xam ne luy rappel day am beneen deuxième dose ñu ñu ko war a jox nag wax naa ko léegi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk en contact permanent ak ñi feebar mooy ñi nga xam ne ñoo leen di faj parce ku feebar nga ñëw hôpital wala centre santé boo mënta ñëw il faut ñu faj la lu fièvre bi ñang ñang lu fièvre metti metti métti ñi nga xam ne ñoo waat pour ne ku fièvre bo ñëwee dinañ la faj muy euh, personnel santé bi ñoñu nak lu melni bu amé ñom lañ war ñëk ñak parce que ñu boo leen ñàkkul buñ feebaree ah ku fièvre bo ñëwee da nga bëgg ku la faj doo ko gis donc ñoñu ñi ngi tollu ci 3240 mille deux Euh, ñett ñetti junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ñooñu bu weesoo aussi am na ñeneen ñu nga xam ne nii président de la république bàyyi na leen xel mooy ñi nga xam ne nii ay mag lañ toll ci juróom benn fukki at ànd ak yenn jàngoro yi wala sax juróom benn ak lu wëpp même boo amul jàngoro gannaaw mag nga rek ba toll ci juróom benn fukki at jëm kaw président de la république na la xel ñooñu ñu ngi tollu ci ci suñu région ci euh, fanweer euh, fan ñett ñetti junni fanweeri junni ak juróom-benn ak juróom-ñett juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ñett maanaam trente six mille huit cent ñooñu aussi dinañ leen concerné donc lii première étape la rek léegi nag ci fan yi peut-être suba danañ ñun mettre en place suñu stratégie nan la ñuy def. ba ñàkk yooyu ñi nga xam ne ñoom lañ ciblé ñu war leen ko ñàkk parce que xam ngeen ne ñekk yi moom mooñ ci mën a génne mais malheureusement am na ñu nga xam ne nii ba léegi ndeysaan bu ñi ñi jaaree fee ñu jaar fee di yàq rek di wax wax ju ñaaw ju ne ñu ngi koy wax ñàkk yi baaxul ñàkk yi nangam nangam nangam loolu ku ko wax wax nga loo xamut wax nga loo xamut ñàkk bi àddina sosoo ba léegi ñun ñi dañoo ñakko ñakko ñakko te ñi ngi ni yeen yeen ñi ku fi ñakkul est ce amna ku fi masul ñak amu parce que bu ñak ñak bu amu musibaam donc ku ne ñak yi baxul man dama ne xamoo lay wax ñun nak ñun aussi dinañ créer suñ stratégie bop ba nga ñi ñom fuñu jaar bëgg yaq leen fa jitu aussi buñ ne ba paré buñ ñëw ñom lañ wax dinañ ko yaq parce que ñak nak dañ ko wara def pour man ci génn loolu dinañ ci boole agent de santé yi danañ ci boole relais yi danañ ci boole autorités yi danañ ci boole kilifa diine yi danañ ci boole communicateur traditionnel yi danañ ci boole bàjjanu gox yi ak képp ku nga xam ne am nga kaddu dañ soxla sa kàddu danañ dem gis la nga wax ci pour nit ñi xam ne kat ñàkk yi moom rek lañ am pour mën a génn ci jàngoro ji bu ñu ñàkkuwul musiba daal loolu je crois que danañu danañu danañu ko def euh, ci ci fan yi di ñëw peut tey wala suba au plus tard ñu créé comité bu nga xam ne ni comité bi mooy suivre léegi li ci teg mooy dañuy xaar au niveau national bu ñu defee lancement bi rek au niveau national président de la république jiite ko ak ministre de la santé ñun fii ci région bi ñun tamit nañ lancé ñakku yi te yaakaar naa ne ku doon weerante xanaa soo gisee gouverneur njëkk a jiitu tàllal loxoom ñu ñakk ko war nga war a xam ne mbir mi du affaire caaxaan du affaire caaxaan man maa ngi jitu talal sama loxo ñu ñekk ma médecin chef de région top ci ñeneen top ci comme ça ñu xamni ne kilifa yi jiite région bi ñekku nañu bu doon gañ ñun duñ ko def lolu je crois que loolu xanaa suñ ko waxee nak war ji warona na jeex wax ji warona na jeex su fekkee ne gouverneur jitu na ñekk médecin chef de région jitu ñekk yeneen kilifa yi jiitu ñekk je crois que xanaa ku doon wax nak war nga noppi lolu dal bëggoon nañ ko wax Ah, laaj nga ma léegi ci tolluwaayu jàngoro ji jàngoro ji ba léegi mi ngi doon law ci région Kaolack ah euh, ci tey jii nombre de cas yi ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar juróom-ñaari téeméer ak juróom fukk wér nañ ci malheureusement nag lu ma téeméer ak ñaar fukki ak benn bakkan rot nañ ci ñooñu ñu ngi leen di daale seen i yal na yàlla xare aljan ñeneen ñi ñi nga xam ñi ngi leen di traité mi ngi toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne aussi dañ leen jàllale ci yeneen hôpitaux yi ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom-benn ngeen xam ne rek bon ba léegi jàngoro ji mi ngi fi nu ñu góor góorgóorlu yàlla dimbali.